Tape 3 W suivi de au Sénégal. D'accord. À École au Sénégal. C'est facile, tu n'as qu'à te connecter. A École au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus détaillées. Présenter une nouvelle forme d'hélice potentielle, cette fois-ci élastique, d'accord. Mais en tâche laçon. Et pour ce faire, je vais présenter un pendule élastique. Ça veut dire quoi Un ressort associé à une masse. D'accord, hein Premièrement, on donc, disposons d'un panneau classique constitué d'un ressort de constante de K et de masse M. Ça, c'est au repos. Au repos. D'accord. Maintenant, ça, c'est le cas 1, au repos. La deuxième deuxièmement, nous allons allonger si, nous la, allonger le ressort en déplaçant la masse à droite. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer La tension telle du ressort va travailler. Donc ici. Ici, le ressort s'est allongé d'une quantité X. Donc ici, il y a la tension T qui ressort. Le ressort A, tra, travail. On est sur un plan horizontal, il y a bien poids, il y a le poids P et la réaction du plan. Mais dans ces conditions-là, ni P ni R ne travaillent. C'est seulement T qui travaille. D'accord, hein, au repos. Maintenant, condition, position 2, ici. D'accord. Donc ici, comme on l'avait vu, T est une force conservative. T est une force conservative. De même que PR. On a ici, au repos, la position 1, le ressort n'est ni allongé ni comprimé. Par convention, nous disons que son potentiel potentielle élastique égale à 0 par convention. Convention. Par convention, c'est quoi une convention C'est ce qui est admis universellement. Dans, la, dans le premier cas, au repos, le n'est ni allongé, ni comprimé. Donc, par convention, aucune des forces ne travaille. Donc, l'énergie potentielle à l'état 1 est à la 0. Or, ici, à l'état 2, la tension T du travail, WT 1 hein? égale dans ce cas, condition, moins 1 dB K x carré. Ça, on l'avait vu hein, depuis le premier chapitre relatif à travail et puissance. Or, dans ces conditions, on sait que EP, EP élastique égale à moins W de T. D'accord hein? Et dans ce cas, va égale à 1 demi de K x carré. D'accord. Maintenant, on sait quoi On sait que dans ces conditions-là, que delta EP, nous avons oublié de ça, excusez ces élèves. Donc ça, c'est bien, c'est pas delta EP qui est égal à delta EP qui est égal à moins W de T égal à 1 demi de ks carré. Et delta EP égal à EP2 moins EP1 égale à 1 demi de K carré. Or, EP1 égale à 0. Dans ce cas, on aura EP élastique de translation dans ces conditions-là égale à 1 demi de K carré. Comme on l'avait vu, l'énergie potentielle de pesanteur est de la forme Mzz. On vient de voir que l'énergie potentielle élastique de translation est de la forme 1 demi de kx carré. K, c'est quoi C'est la constante de du ressort. X, c'est l'allongement du ressort. D'accord hein? L'importance élastique en translation est de la forme EP égale à 1 demi de ici au carré. Ok. Maintenant, pour un allongement, pour un allongement de X1 à X2, on aura dans ce cas EP p racine de translation égale à 1 demi de K facteur de x2 carré moins x1 carré. x2 carré moins x1 carré. C'est ça l'expression du potentiel d'un système en translation. D'accord, maintenant on va faire la même chose dans le cas où le système élastique est en rotation. Maintenant, je vais considérer une tige rigide qui maintient en équilibre une barre AB. Ici, c'est une tige rigide. C'est quoi une tige rigide C'est une tige qu'on peut tordre sans la nommager, comme une tige en acier une tige en fer n'est pas une tige rigide parce que en la tordant, en, le, en la tordant, on peut l'endommager, on peut la perdre. Donc si vous avez une tige rigide, en la tordant, la tige pourra reprendre sa forme initiale sans s'endommager. D'accord Donc ici, on a une barre. Là, en tordant barre AB, en tordant la tige, la barre qui était à cette position va balayer un angle θ. D'accord, va après un angle θ, par exemple, la barre peut prendre cette position-là. Va après un angle θ. A, B, un angle θ. D'accord. Ici, initialement, état 1, ou bien position 1, par convention, EP élastique égale à 0. P égale LAC à 0. Maintenant, dans l'état 2, ici, hein, on a un couple de torsion. Donc, qui effectue du travail. Donc, le travail du couple de torsion, dans ce cas, souvenir du premier chapitre, égale à moins 1 c'est θ au carré. Et par, on sait quoi que delta EP, dans ce cas, va égale à moins travail du couple de torsion égal à 1 2 c'est θ carré. Theta carré. Et on sait quoi Que delta EP égale à EP2 moins EP1 égale à 1 demi-2, c'est θ carré. Or, comme on l'a fait tout à l'heure, EP1 est égal à 0. Dans ce cas, donc, on aura EP2 égale à 1 demi de C carré. Donc l'énergie potentielle élastique en rotation est de la forme EP égale à 1 demi de C carré. C'est quoi c'est C'est la constante de torsion de la tige. Et ça c'est quoi C'est l'angle balayé par la barre lorsque la tige est tournée. D'accord EPP de la forme MZZ. EP élastique en translation de la forme 1 demi c'est carré. EP élastique en rotation de la forme 1 demi de carré. Maintenant, pour une rotation d'angle, pour une rotation d'angle, de θ1 à θ2, dans ce cas, on aura EP élastique en rotation égale à 1 demi de C facteur de θ2 au carré moins θ1 au carré. C'est ça l'expression de l'énergie potentielle Maintenant, chers élèves, qu'est-ce qu'on donc on peut maintenant généraliser en disant quoi En disant que la variation d'énergie potentielle d'un système est égal à l'opposé de la somme des forces conservatives. D'accord Donc, ça, c'est une relation fondamentale, comme la relation du terme de cinétique. Donc, la variation des d'un système est égale à l'opposé de la somme des travaux des forces conservatives. Donc, donc on peut l'écrire sous cette forme-là, delta EP égale à moins somme des travaux des forces conservatives. D'accord, ça D'accord, il y a certains même qui l'appellent le théorème de l'énergie potentielle. Hein? Il y a certains qui l'appellent le théorème de l'énergie potentielle. Donc, delta EP égale à l'opposé de la somme des travaux des forces conservatives. Et comme forces conservatives, on peut en citer le poids, la réaction, la tension sont des forces conservatives. Les forces <coughs> de fondement ne sont pas des forces conservatives. Ça, on l'a vu depuis le premier chapitre. Jana tukero masono manga jangale gita dobuje do faiwe Nge elef tatolo chi examelinga sola amda fita mugena Asure ko